c'est toujours un plaisir de, de partager ce moment. Parce que faites-le comme on dit. Après tout, c'est du football, c'est du plaisir et tout. Mais après, c'est un classico. On sait que c'est un match euh, qui est très important pour, Niari euh, pour Mais bon, après, Marseille, comme on le sait, euh, il faut jouer à fond. Et j'espère que y a un résultat au bout pour Marseille. Non, ça ne veut rien dire. Sur des matchs comme ça, et derby ou Demeni, euh, voilà, c'est des matchs à, à points. Donc, euh, équipe de l'Union avec motivation pour un résultat. Donc, euh, je ne pense pas que sur le papier, l'on peut jouer ces matchs. il n'y match pas que ramené si efficace gagner gagner en général donc Marseille a ses chances donc on espère en tout cas en tant que supporter que a un résultat au bout de ce match. Oui, ouais, j'ai eu la chance de jouer un classico un trophée des champions en Tunisie qu'on avait gagné. Après, j'ai eu des matchs où j'étais sur le banc et tout, mais un match le en tout cas en jeu bizarre. donc euh, supporter les ramenait. jouer joueurs et franchement en fait les nègres, quoi en général. Oui, euh, adrénaline, euh, envie de bien faire, envie de, sortir la tête de l'eau. Donc, les matchs là, ils pourquoi ils veulent jouer. Donc, ils ont une chance d'être ce terrain. Ils vont tout faire pour euh, donner le meilleur d'eux-mêmes. Non, après, le euh, championnat, c'est match après match. C'est au bout de, des 38 journées qu'on pourra savoir classement et le Deme. Mais je sais que, que Marseille en ce moment, ils sont bien armés. Ils sont sur une bonne dynamique. Donc j'espère que avec euh, le résultat qu'on aura ce soir, ils ne lancer le championnat comme ça nous avons un résultat et nous sommes au bout. Oui, je suis au Sénégal, ça fait trois ans maintenant. Parce que c'est euh, euh, ma famille, c'est ma famille, c'est le nec, c'est ma famille, qui le nec. Fille a commencé, c'est mon lip. Donc, je c'est ma carrière donc je me le choix où nous talk si famille profiter après voilà après au niveau des business et tout on sait que Sénégal nous il doit xam donc ma vie, ma habité où habitué adapté donc euh, je suis bien je suis bien. en ce moment je suis woon formation pour euh, pour entraîneur mais bon je suis en branche avec le temps je pour le moment j'ai envie de prendre le temps comme carrière je ma xam dafa euh, secouer toujours.

en tout cas j'ai tout fait pour euh, pour une sélection malheureusement la sélection n'a pas am euh, donc je après les que nous avons ñi sélection nous ñu ngi pour que résultat yi ñu l'équipe équipe bi rien on a manqué de chance que ko match passé en finale on a eu l'Algérie pour ramener sur un coup de sort les deux dugal et nous ñu donc euh, pour man dara n'y wuñu chance rek la chance de donc pour euh, compétition yi di a am résultat yi nga xam merci beaucoup.